Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Nous sommes vendredi 23 septembre 2022. Merci d'être à votre rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et c'est avec des confrères euh, des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent d'abord sur le bilan évolutif des inondations suite aux fortes précipitations enregistrées au Niger. À la date du 21 septembre, le bilan s'établit à 179 morts, 206 blessés et plus de 200 000 sinistrés selon les services de la protection civile. Ensuite, avec nos invités, nous analyserons les 18 ans de mise en œuvre de la décentralisation au Niger. Pour finir, nous parlerons de paix au Niger avec la journée de la paix qui a été célébrée le 21 septembre sur le thème Mettre fin au racisme, bâtir la paix. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouniado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Nafisa. Monsieur Ousseini Issa, il est journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération. Bonsoir à tous et bienvenue à la date donc du 21 septembre, le bilan des inondations au Niger s'est alourdi, atteignant 179 morts selon les services de la protection civile. 130 personnes sont mortes euh, par effondrement des maisons et 49 autres se sont noyées, a révélé euh, la Direction générale de la protection civile dans un rapport publié le 21 septembre 2022. 206 personnes ont été blessées, a ajouté la même source, soulignant que de nombreux dégâts matériels ont aussi été enregistré. Le département de Gaïa continue d'enregistrer d'énormes dégâts selon notre correspondant. Le village de Tungagumbi, situé dans la commune de Tanda, département de Gaïa, sera déguerpi dans les jours à venir selon la décision prise par les autorités départementales. Je vous propose d'ailleurs d'écouter notre correspondant Fadel Alou. Dans le département de Gaïa, les communes de Tanda, Tonoga Gaïa, Yelou, sont les plus touchés par les inondations. On dénombre des milliers de maisons effondrées. Des effondrements qui ont aussi occasionné 10 pertes en vie humaine, a annoncé le préfet du département de Gaïa. Dans le village de Dolé, commune de Tunoga, les habitants touchés par les inondations continuent d'affluer vers l'école primaire du village pour trouver un abri en attendant le retrait des eaux. Champs de mille et de riz presque au stade de récolte sont aussi inondés. Du côté du fleuve Niger, la digue de protection des aménagements hydro-agricoles peinent à contenir les eaux et par endroits, les eaux s'infiltrent dans les champs. À cela s'ajoutent les eaux de ruissellement du Dalol Foga qui traversent les communes de Yelou, Bana et Bengou, entraînant sur son passage des dégâts dans les champs de patates douces, de canne à sucre et surtout les routes, particulièrement celles de Bengou où le passage devient de plus en plus un calvaire pour les usagers. La commune de Tanda n'est pas épargnée par les effets des inondations comme les années antérieures les villages situés au bord du fleuve sont tous menacés d'envahissement par le fleuve Niger qui s'infiltre dans les maisons. Le village de Tungangumbi dans la commune de Tanda est l'un d'entre eux. Plus de 174 ménages sont sommés de quitter les lieux dans les jours à venir pour éviter le pire. C'était là donc euh, euh, notre correspondant euh, à Gaïa, Fadel Alou, qui nous faisait donc le point sur la situation des, inondations dans la région, dans le département de Gaïa. Et donc à l'entendre, un des villages même sera déguerpi à cause de ces inondations. Madame Memouna Diado, quelle est donc votre réaction après écoute de ce compte-rendu Il faut d'abord déplorer cette situation d'inondation qui a causé plus de 179 morts à la mhm. date euh, du 19, c'est ça Du 21. Du septembre, donc c'est-à-dire la, date d'hier. Donc je me dis également que, en fait, c'est également euh, déplorable qu'une des parties la région donc, euh, de, Gaïa, mhm. département de Gaïa, soit également dans cette situation. Quand on regarde, c'est vrai, Gaïa, déjà, nous savons que Gaïa a une frontière avec euh, les pays côtiers comme le Bénin. Et la saison aussi s'est installée oui, en avance. La saison s'est installée en avance. Mhm. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas pratiquement la même saison, la saison pluvieuse que euh, Gaïa. Mm. Donc c'est un peu différent. Et le problème, c'est que également, c'est connu pour une région humide. Mm. Il y a tous ces spécificité, et spécificité mhm. pour ce qui est la région, donc euh, le département de Gaïa. Et maintenant, pour ceux, les villages qui sont aux alentours du fleuve Niger et qui mhm. doivent être déguerpis, moi je pense que en fait, on l'avait toujours décrit cette situation, que les villages dont euh, les gens savent que vraiment, à une période où euh, la montée des eaux. Et, là, ça veut dire qu'il faut vraiment se chercher. Il faut, quitter, il faut, quitter, les lieux. Il faut quitter les lieux avant que le pire n'arrive. Et là, nous sommes en face du pire parce que mhm. euh, quand on dit qu'il faut, il y a une nécessité donc euh, de faire déguerpir mhm. plus de combien de 100, plus de sang et quelques ménages. Mhm. C'est une autre situation qui. C'est une autre situation parce que là, il faut donc regarder l'approche déjà euh, de la rentrée scolaire. Mhm. Et ceux qui sont inondés se trouvent présentement occupent présentement les salles de classe. La question de la prise en charge euh, reviendra également. Oui. se pose ici à mhm. ce niveau. Mhm. maintenant que le pire est là, il faut nécessairement que les autorités s'y mettent hein, pour pouvoir euh, déguerper cette situation, décanter cette situation, pour permettre donc à ces ménages de savoir là où ils seront délocalisés pour, euh, et qui seront à l'abri, parce que jusque-là, euh, on a comme l'impression que la saison des pluies n'est pas encore terminée. Mhm. Et les eaux noires, ou qu'on appelle les eaux qui, qui, proviennent euh, de, de, la Guinée, la crue, euh, guinéenne n'est pas encore arrivée. Donc, c'est en, en cours. Donc, tout ça là, je pense que c'est des dispositions qu'on mhm. devrait prendre en amont même, avant même que cette situation ne tombe sous la tête de ces, de, ces populations-là. Hussein Issa, que dire donc de cette situation qui prévaut à Gaïa oh C'est une situation quand même prévisible, il faut le dire. Hein. Parce que la veille déjà, comment vais-je dire, euh, de l'installation de l'hivernage, mhm. les services de la météorologie, ils ont annoncé quand même des fortes précipitations N'est-ce pas Et il y a eu même des messages en concertation avec la Direction générale de la protection civile, mhm. pour sensibiliser les populations qui sont dans les zones inondables de prendre la disposition pour ne pas rester et, se faire surprendre. Mhm. Bon, malheureusement, je pense que le discours n'a pas passé, les messages n'ont pas été entendus, les gens sont restés à leur place, ils sont restés sur place et bon, il faut s'attendre à ce genre de choses-là. Mhm. Et ce n'est pas la première fois. À chaque euh, comment saison de pluie, c'est qu'on a ce genre de catastrophe-là. C'est la, la, même situation qui se pose. Gaïa, c'est un cas exceptionnel. Gaïa, c'est quand même la région la plus humide du Niger. Mm. C'est une région frontalière avec le Bénin. Si vous constatez, on n'a pas le même sol, on n'a pas les mêmes périodes de pluie souvent et les pluies sont plus intenses là-bas. Mm-hmm. Cette année, c'est un phénomène exceptionnel, mm. n'est-ce pas inévitablement, il fallait s'attendre à cette situation-là. Maintenant, de l'autre côté, les autres régions du pays, notamment Maradi, Zender, un peu Tawa, Dosso, tout ça, tout ça, c'est lié à des faits qui sont là, n'est-ce pas Les gens, les changements climatiques, comme on dit, mais aussi un peu la précarité des habitations dans lesquelles les gens vivent. Mm. Indépendamment de ça, il y a également l'absence souvent de canalisation, de drainage d'eau. Mm. Mm. C'est ça le plus gros problème dans les villes. Quand il n'y a pas de drainage d'eau, Bien évidemment, quand il y a des pluies importantes, mm. les pluies s'infiltrent dans les maisons. Mm. Et eh bien, la catastrophe, c'est que quand les murs sont mouillés, c'est l'effondrement. Bon, on dit aux populations de sortir quelque part. C'est bien beau de dire aux gens, vous quittez, allez vous abriter. Mais allez s'abriter où parce que ces genres de mesures-là, quand on les prend, c'est qu'on crée les conditions. Donc l'État doit leur assurer. Oui, non. Euh, en prévision de ces inondations, déjà, on doit pouvoir créer les conditions pour que les gens qui vont quitter leur habitation, là, momentanément. Des lieux de recasement. Des sites d'hébergement temporaire. Mhm. Si ce n'est pas le cas, Bien évidemment, quelqu'un qui a par exemple une famille de 10 personnes, 15 personnes, où est-ce que tu vas les trimballer mhm. Même si tu as des parents, quand même, il ne peut pas prendre tout ce beau monde-là en charge. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait la réticence souvent des gens. Mm-hmm. Et moi, je critique un peu, je, comprends les populations. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans savoir où tu vas aller. C'est ça la difficulté. Mm-hmm. Et c'est en cela, j'ai dit, ce qu'il faut véritablement une politique de l'habitat adéquat dans ce pays. Je l'ai toujours dit. Et donc, euh, oui, oui, Effectivement, maintenant qu'il a soulevé la question, c'est qu'il faut nécessairement euh, qu'il y ait une urbanisation de nos villes. Mm-hmm. Parce que là, vraiment, euh, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on n'arrive pas à contrôler cette situation. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce sont les anciennes Oui, on a, on a, un ministère de l'urbanisme. Le, ministère de l'urbanisme doit faire quelque chose quand même. Un plan de redressement, un plan euh, euh, d'urbanisation est plus que nécessaire à ce niveau. Oui, mais en plus, il faut dis, Maïmouna. C'est que, c'est-à-dire, c'est devenu hein, quelque chose d'un fonds de commerce. Mhm. L'État s'est désengagé par rapport au lotissement. C'est des lotisseurs privés. Mhm. Quand vous achetez des champs, quand l'État, euh, comment dirais-je, euh, euh, balise des champs, mhm. l'État prend sa part, les, municipalités, ou la municipalité, je veux dire. Maintenant, les paysans, eux aussi, ils vendent ce qui, ceux qui leur reviennent. Mais maintenant, l'accompagnement, c'est que, d'accord, c'est des quartiers, dans les quartiers, les nouveaux quartiers, hein, Également, c'est la même situation. Les maisons sont souvent, comment dire, remplies d'eau. Hmm. Parce que tout simplement, quand c'est pas bien construit, quand c'est pas solide, quand le ciment n'est pas bien consistant, mhm. bien évidemment, <laughs> il y a le ravinement et puis la maison s'effondre. Et plus précisément, euh, donc à Gaïa, pour revenir un peu sur la question de Gaïa, mhm. euh, des mesures doivent être prises. Donc pour oui, mais des mesures, c'est quoi On dit aux populations, maintenant le village là où on a dit aux de quitter. Euh, mais ils vont quitter, est-ce qu'on leur a montré là où ils vont aller s'installer mhm. C'est ça la difficulté. Les mesures, moi j'ai dit, après la saison de pluie, et c'est ça qui est dommage, mhm. après la saison de pluie, on doit pouvoir s'asseoir, discuter de ce problème-là qui est récurrent. Mais une fois que la saison de pluie est terminée, c'est fini. Il faut tout prochaine Tout, le monde va à ses occupations. On a vu des gens qui ont été inondés l'année dernière. Actuellement, il y en a qui sont dans la ceinture verte, dans le machin, dans la haie hmm. de, de, de, comment s'appelle de, comment on appelle ça de l'hippodrome qui là-bas. Oui, Alors, hmm, pourquoi pendant plus d'une année, on n'a pas pu trouver un moyen pour écraser ces gens-là hmm. Est-ce qu'ils doivent continuer à vivre là-bas permanemment Voilà toute la difficulté. Et c'est pour ça, moi, je parle de politique d'habitat décent. Il faut le faire et ça doit être accompagné par l'État. Mhm. Alors, Mémouna, l'État doit prendre des dispositions euh, à travers le, bilan qui est établi. On voit que, comparé à l'année passée, vraiment cette année, le bilan des inondations au Niger est très lourd. Et donc, euh, quels sont les vrais défis euh, qui se posent à nos autorités actuellement face à cette situation les, vrais défis, Hussein vient de le dire, mhm. on ne peut pas aujourd'hui rester les bras croisés face à ce phénomène de changement climatique, puisque c'est un changement climatique qui est là. Et c'est quelque chose qui touche tous nos pays. Donc là, il est nécessaire de créer les conditions de, de, de que chaque Nigérien puisse avoir un habitat adéquat. Ça, au moins, il faut le faire. Il y a certains quartiers qu'il faut revoir l'emplacement de ces quartiers-là. Il y a les manques de caniveaux il y a tout cela. En tout cas, moi, je parle de la. C'est la question de l'urbanisation qui revient. Qui revient. C'est pour ça que j'ai dit il y a un ministère qui est là. Il y a un ministère qui doit de temps à autre sortir communiquer pour dire voilà ce qu'il faut faire. Mhm, mhm. Voilà, parce que nous avons ceux qui ont étudié. Ils ne sont pas par hasard, euh, ils ne sont pas devenus par hasard mhm. euh, des, chefs de chantier ou ils n'ont pas fait la filière des spécialistes à la question. Donc, il faut les associer il faut leur donner la possibilité aujourd'hui de faire un plan de euh, redressement, un plan d'urbanisation de, de, nos villes, comme je viens de le dire à mhm. l'instant. Sinon, on restera toujours à la case de départ et on reviendra toujours à la case de départ. Et outre le gouvernement, quelle doit être euh, la contribution de tout un chacun pour faire face donc aux dégâts occasionnés par La contribution de tout un chacun, c'est vrai, l'État a sa part de responsabilité, mais nous autres populations, nous avons également notre part de responsabilité. C'est-à-dire que toi qui vis dans cette situation et que tu sais que euh, pertinemment que quand la saison des pluies va s'installer et qu'il y aura les fortes pluies, ça nécessite que tu quittes cet endroit-là. Il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas attendre l'État aussi. Parce qu'en attendant l'État, mais est-ce que l'État aujourd'hui prendre en charge tous tes problèmes, mhm. tous ces problèmes-là mhm. que tu as. Il faut toute une contribution. Il faut toute une contribution. Et le problème, il faut également faire en sorte que le ciment qui provient de, notre pays, le <laughs> ciment, soit au moins cher. moins cher, parce que si on continue toujours mhm. à, à, à, construire avec le banco, mais il y aura toujours, on, sera toujours, on fera toujours face à cette situation d'inondation. Nissa, la responsabilité est, donc partagée. C'est euh, quelque euh, la partagée, oui, tout à fait. Les populations sont un peu responsables. Mais euh, comment dirais-je, on peut aussi les dédouaner. Parce que souvent, quand les gens vendent les terrains, les lotisseurs privés, là, ça, ils ne te disent pas que c'est un terrain inondable. Mhm. On te laisse acheter. Maintenant, des risques et périls, ah, parce que c'est quand l'eau va s'installer que tu vas constater. Alors, oui, mais bien sûr, c'est la mm-hmm. malhonnêteté dans le milieu. Voilà, voilà. Mm-hmm. Oui, mais bien sûr, quand le terrain, il n'y a plus d'eau, c'est-à-dire la saison de pluie, ça finit, mm-hmm. les gens viennent, on prend un machin, on ne te dit pas que là, c'est inondable. C'est quand tu vas quand la saison va te trouver dedans, que tu vas constater qu'il y a un problème. Oui, mais je pense qu'il y a les spécialistes. Normalement, il y a les spécialistes. Oui, mais Mouna, dans ce pays-là, les gens ils ne disent jamais non à l'argent, <laughs> n'est-ce pas C'est-à-dire, je ne vais pas venir dire à un client non, non, non, il ne faut pas acheter ça. Mhm. Je sais que le travail qu'il va faire, il va me, que je vais faire, il va me payer. Mhm. Non, mais non, mais l'honnêteté là, aujourd'hui, il y en a très peu de gens qui mhm. peuvent être honnêtes. C'est ça la difficulté. Et l'autre problème, c'est que je veux dire, il n'a pas de responsabilité quand je parle de politique de l'habitat, je ne dis pas à l'État de construire à chaque citoyen une maison. Mhm, mhm. Je dis de créer les conditions pour que les matériaux de construction soient accessibles. C'est l'un des rares pays de la sous-région où le ciment n'a jamais. Quand on va dans ces pays côtiers, Bénin un peu, 2000, 2500 le paquet de ciment. Mhm. Mais quand ici, il faut acheter le sac de ciment, vous savez que la tonne a augmenté maintenant. Quand on va dans ces pays, avec 2 tonnes, 3 tonnes de ciment, vous pouvez, vous, pouvez construire facilement. Mais aujourd'hui, même avec 10 tonnes de ciment, souvent, mhm. c'est difficile de construire une maison. Mhm. Et où trouver cet argent-là Parce que les populations sont pauvres. à 80%, ah, les gens sont pauvres. On espère que l'État puisse euh, vraiment alléger cette souffrance. Bon, l'État, c'est nous, tous, nous tous. <laughs> parce que ceux qui sont normalement censés mettre ces politiques-là en mhm. œuvre, ils se mais il y avait des programmes, un je me rappelle. Alors, c'est devenu quoi Par rapport à ça. C'est devenu quoi ah. Alors, euh, la contribution de tout un chacun s'impose euh, dans cette euh, situation qui prévaut au Niger, cette situation d'inondation. Nous clôturons ce sujet pour entamer le deuxième sujet du forum de la presse de ce jour. Le vendredi 16 septembre, une table ronde a été organisée à Niamey autour du thème 18 ans de mise en œuvre de la décentralisation au Niger. Quel bilan la table ronde est initiée par Alternative Espace Citoyen et l'objectif est de voir les avancées et les défis rencontrés dans, le processus de la décentralisation depuis son adoption au Niger. Samaïla Idi Dambouzoa est juriste et expert en décentralisation au Niger. Il nous donne des précisions. On l'écoute. J'ai pris un document de référence scientifique qui s'est basé sur une évaluation concrète de ce processus de décentralisation commune par commune et région par région. Et de tout ce qu'on peut tirer de ce document-là et donc de la réalité communale, de la réalité de la décentralisation, c'est qu'il y a aujourd'hui des communes qui ne sont pas viables. C'est l'étude qui l'a fait ressortir. Et ces communes qui ne sont pas viables, c'est pratiquement dans les sept régions collectivités territoriales qu'on a. Une commune qui n'est pas viable, c'est cette commune qui ne peut même pas prendre en charge les dépenses et obligatoires du fonctionnement d'une commune normale. Le deuxième problème, c'est la grande question du transfert de compétences. Parce que une collectivité territoriale, sa raison d'être pour les citoyens, c'est le service qu'elle délivre. Un autre problème, c'est la coopération qu'on appelle l'intercommunalité entre les collectivités territoriales. Cette grande question de la coopération décentralisée est trop faible au Niger. C'était là donc le juriste expert en décentralisation au Niger, euh, qui nous faisait un peu le point sur la question de la décentralisation euh, de son adoption à la date d'aujourd'hui, concernant aussi euh, la question du transfert des compétences, les collectivités. Alors, vous, Ousseini, que vous suscite l'analyse de cet expert oh, ben, Je pense qu'il a tout dit. Hein. Mhm. C'est une thématique sur laquelle j'ai travaillé depuis la décennie 2000, mhm. depuis pratiquement le lancement de l'opération. J'ai travaillé, il y avait un certain Halidoula et qui était, comment dirais-je, euh, responsable de ce volet-là. Mm-hmm. Bien avant lui, il y avait un autre là, qui, aujourd'hui, je ne sais plus s'il a encore, comment dirais-je, euh, je crois qu'il a la Ils sont tous du ministère de l'Intérieur. Mm-hmm. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup interrogé ces gens. Effectivement, tout ce qu'il a exposé, c'est la réalité. Mm-hmm. C'est la réalité. La décentralisation, d'abord, on l'a voulu intégrale. 266 Intégrale, ça veut dire au lieu de regarder, par exemple, quand on veut faire quelque chose, on regarde est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable. Les communes, au lieu de les regrouper en fonction de leur importance ou de leur faiblesse, non, non, non, on a préféré qu'il y ait autant de communes que, possible, mm. n'est-ce pas C'est déjà ça le point de départ, le faux départ. Parce qu'il y a des communes qui ne peuvent jamais être viables. On a transformé tout en commune. Tout, tout en commune. Je suis allé dans des communes où j'ai vu comme il l'a dit, on ne peut même pas payer avec les recettes, on ne peut même pas payer mm-hmm. les agents qui travaillent au niveau de la mairie. Alors, quel type d'investissement on peut faire à ce niveau mm-hmm. Absolument pas grand-chose. Les marchés, c'est quoi Les taxes de marché qui collectent, ça peut permettre de faire quoi mm-hmm. c'est la première difficulté. Maintenant, l'autre difficulté, effectivement, la difficulté majeure, c'est le transfert de compétences qui devait se faire depuis, depuis, depuis longtemps. Mais on a comme l'impression que l'État ça ne l'arrange pas quelque part. Pourquoi, selon vous Parce que tout simplement, il veut tout concentrer à son niveau. On ne doit pas laisser beaucoup d'argent aux communes, n'est-ce pas Parce qu'il y a des communes, quand je dis c'est pas viable, il y en a qui sont véritablement viables, qui collectent suffisamment d'argent, mhm. mais il n'y a pas grand-chose qui reçoivent de cet argent parce que la centralisation se fait quelque part ici à Niamey. Mais Co comment dans ces conditions... Ce, transfert de compétences euh, et des ressources... Le transfert de compétences, la dernière fois, quand on a parlé, par exemple, qu'il y a deux, trois domaines de compétences qui sont, qui sont transférés, comme l'éducation, le tout n'est pas de dire aux communes de prendre en charge les questions de l'école, les questions... Non, il faut que des moyens soient là pour qu'ils puissent le faire de manière efficace. Mhm. Mais quand il n'y a pas de moyens, comment ces communes... Bon, quelque part, bon, il y a quelques communes qui profitent quand même Mais quand même, euh, on peut, les communes, ils prélèvent les taxes et autres. Oui, mais les taxes des marchés, là. Allez voir dans les marchés. 100 <laughs> francs, 150 francs, 200. 50, 50. 50 en fonction de Cela ce que ne suffit comme pas pour une commune. De... Ce qu'il faut, c'est des gros moyens pour mhm. viabiliser pour viabiliser. Mais ces gros moyens, c'est quoi déjà Mais les gros moyens, par exemple, les histoires, quand on fait, par exemple, les communes qui sont traversées par des, des, comment dire, par, des infrastructures importantes qui rapportent de l'argent, mhm. il faut que ces communes aussi en bénéficient. Mhm. Est-ce que ces communes en bénéficient Non. Ils se contentent juste de ce qui collectent au niveau des marchés, mais tout ce qui est, par exemple, comment on appelle un peu au niveau des autogares, quand tu as une petite autogare au niveau de ta commune, tu peux aller prélever de l'argent, mm. mais ça s'arrête là. Mm-hmm. Mais les gros investissements, par exemple, quand, par exemple, une commune, où il y a une route importante qui passe, avec, où les gens prennent le péage, mm. ils doivent bénéficier au moins de ça aussi, parce que la route traverse la commune. D'accord. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à Maimouna. Alors vous, Maimouna, de votre côté, vous le savez, le gouvernement avait pris en 2016 la décision euh, de décret euh, portant transfert des, compétences et des ressources aux collectivités territoriales dans certains secteurs tels que l'éducation, comme le disait tout de suite Hussein. Euh, Mais quel bilan vraiment tiré à la date d'aujourd'hui Non, Je ne vois pas un grand bilan à tirer. Hein. Je ne vois pas quelque chose de positif en tout cas. Parce que, oui, oui, parce que comme l'a dit Hussein, on ne pouvait pas dire qu'une euh, une commune doit prendre en charge l'éducation mm-hmm. alors qu'il n'y a pas de retombée pour que cette commune puisse se prendre en charge. Mm-hmm. Il y a des agents aujourd'hui dans les collectivités, ça, qui ont fait combien d'années sans toucher un franc il y a ceux qui sont décédés, qui n'ont malheureusement, qui ont attendu malheureusement pour rentrer dans leurs droits, ils, n'ont pas pu être, euh, en tout cas, réglés jusqu'à ce qu'ils décèdent. Mm. Il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes dans cette situation de collectivité. Donc cette, euh, initiative de transfert de compétences ne devrait pas y avoir lieu. Ça ne devrait pas, même si ça devrait euh, avoir lieu, c'est qu'on on devrait les accompagner. Mm. Euh, par, un bon financement d'abord. Mm. Il faut qu'il y ait la stabilité financière de ces communes pour pouvoir décoller. Mm. Mais aujourd'hui, regardez rien que euh, la dernière fois, on n'a pas lancé euh, une école sans payotte. Oui, zéro classe. Zéro payotte, classe mm. À Niamey, et <laughs> dans peu de temps, ça sera la rentrée scolaire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait On verra le constat. Ça veut, dire, tout simplement que les choses ne peuvent pas bouger parce que quand une commune n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à ça, à ses besoins d'abord, à ses propres besoins, mm. avant d'aller attaquer le problème lié donc à l'éducation et, qui concerne mm-hmm. euh, la population. Mais ça ne peut pas marcher, fils. Mais comment faire face donc à ce problème Mais il faut revenir avec les moyens. Il faut donner la possibilité à ces mères-là. Il faut les équiper, il faut leur donner les moyens financiers, les moyens euh, matériels et tout pour pouvoir faire face à cette situation. Ousseini, l'expert le, disait dans son intervention que beaucoup de communes, et vous-même vous l'avez relevé, que ces communes, beaucoup d'entre elles sont déficitaires, n'arrivent pas à se prendre en charge. Mais quel sera donc leur sort années la question a été posée plusieurs fois, ça a été mis en débat, <laughs> où il fallait, comment dire, jumeler les communes mm-hmm. un temps. Mais bon, chacun est un peu fier de sa souveraineté quelque part. Les gens estiment qu'ils vont rester comme ça et l'État même n'a pas la volonté. Parce que c'est des questions politiques. Quand mm-hmm. la décentralisation, chacun voulait voir sa zone mm. devenir une commune, mm-hmm. c'est-à-dire à part entière, n'est pas dépendre. Ça a même posé des problèmes par endroit où on a dû augmenter détacher des communes pour en faire des communes. N'est-ce pas C'est ça, de ressources Parce que tout bah, La population n'atteint pas, en fait. Voilà. Alors, mais face à cette situation, que faire Oui, justement, que, faire que, faire face à cette situation Il est prévu un mécanisme de régulation, n'est-ce pas dans le cadre du processus-là. cest C'est-à-dire que les États, ou du moins les communes qui ont plus de ressources, mhm. qu'on puisse prendre au niveau de ces communes, financer les autres d'autres communes, n'est-ce pas mhm. Mais est-ce que ça s'est mis en œuvre mhm. Jusqu'ici, non. Non. Si vous arrivez à mobiliser 1000 francs, vous allez vous contenter de vos 1000 francs, pendant que celui qui est à côté de vous, il a mobilisé 10 000 ou 20 000. Mhm. On ne va pas prendre dans ces 20 000-là parce que chacun est fier et jaloux de, quelque part, comme je l'ai dit, sa souveraineté. <laughs> à partir de cet instant où l'État n'arrive pas à réguler, comment on peut faire Ces communes-là vont mourir de leur belle Et il y a une autre et, ça encourage quoi, le plus souvent. Ça fait que bon, le maire et son adjoint et ses adjoints, le peu là qui reste, il grignote, il, il, carotte ça. Ça dit, les autres conseillers, ils sont là et tout. Il y en a à l'occasion des sessions, on ne peut même pas leur payer les frais de, les, frais de, de, comment dire, de session. Mhm. C'est ça la difficulté. Parce que deuxièmement, bon, l'État pense que la moi, moi j'ai mis, je, mets en cause l'État dans cette affaire. Hein. Mhm. c'est l'État qui s'élève pour aller enquêter sur la gestion mhm. des ressources au niveau des communes. Alors on prend les maires, on les, on les limoge, on met des, administrateurs délégués, on a mhm. connu ça sous le dernier mandat de Youssoufou. Donc jumeler vraiment les communes oui, une bonne idée. faire comprendre aux populations que ça sert à rien de as créé une case pour les mairies. Mais de, comment on appelle ça D'émietter. Là où ce n'est pas viable, la commune qui n'est pas viable, qu'elle accepte d'aller se rattacher à une commune plus viable. Ah, Mais à ce moment, il n'y aura plus de visibilité. Mm, Mais mm. quand les gens se disent, bon, et puis quelque part, ça arrange l'État. Donc, elle euh, à l'État, ce flou artistique-là. Mhm. il, faut aller, il, faut aller, à l'intérieur du pays mhm. où tu vas trouver seulement le drapeau en train de flotter. De la commune. De la, Vous avez une fois été il a, témoin. Il n'y a, personne. Il n'y a personne. Il y a des recettes, j'ai oublié. Une il n'y a recette, rien. Une recette importante, c'est un peu la vente de terres et tout. Et tout Effectivement. tout ça. Mhm. Ils tirent profit, de, ça. Mais alors, quand ils font ce, ce genre de collecte-là, bon, ils se disent que il n'y a pas quelqu'un qui est à côté pour regarder. Le maire et déjà il y a combien de Il y en a même qui sont allés en prison. Mhm. Ils carottent l'argent. Maintenant, quand il y a une inspection, on a limogé beaucoup de maires à cause de cette situation-là. Mhm. Où vous payez ou vous allez en prison. Voilà la situation. Et moi, j'ai dit, il ne faut pas les accuser. à partir euh, du moment où le vol est généralisé, même au niveau, super, euh, au niveau à, l'échelle, euh, comment dirais-je, euh, nationale, c'est devenu le sport favori. Donc, selon vous, tous, tous, tous ces problèmes euh, sont des facteurs qui ne font pas en sorte que le processus de la décentralisation au Niger soit. Oui, mais bien sûr, les gens ont considéré que c'est fini. Mhm. Moi, pour moi, dans mon entendement, parce que le processus est évolutif normalement. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on constate des défaillances, on essaie de corriger. Mhm. Et c'est à l'État de prendre ça en charge. Mais quand les gens regardent, ils connaissent la situation de ces communes. Tout le monde connaît. Bon, quand on dit commune, bon, le maire aussi, avec, comment dire son fanion là, il est content. Quand il sort dans, le village, on l'appelle maire, il est content. La première chose qu'il fait, souvent, il achète une voiture dès qu'il y a un peu de ressources, parce que le maire a besoin d'un véhicule. Mhm. N'est-ce pas Non, il n'y a rien. Moi, j'ai été dans des communes. non, mais bon, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont bénéficié aussi d'équipements. Il y a d'autres qui n'en ont pas. il y en a qui n'en ont pas. Qui, sont dans des communes, des, régions, des, départements mm. un, peu, éloignés. éloignés. Mm-hmm. Mais il y a rien. Mais les communes qui ont souvent ces infrastructures-là, c'est souvent les communes qui ont des, coopération décentralisée avec euh, souvent Des, partenaires extérieurs. il y a des communes vraiment dans des zones qui, qui, n'arrivent pas à bénéficier vraiment de ce que vous voulez, des infrastructures et autres. Mais vous, Mémoune, pour clôturer ce, ce, sujet, que faire vraiment pour que le processus de la décentralisation soit effectif ici au Niger fils, on va toujours se répéter, répéter, <laughs> puisqu'on l'a toujours dit. Mm. Pour que ça, le processus marche, il faut que l'État mette la main dans sa poche, il faut d'abord préfinancer. Préfinancer ces, ces, communes. Mm-hmm. Vous avez voulu qu'il y ait plus de communes, alors financer pour qu'il y ait plus de stabilité et mm-hmm. pour, que ces communes puissent vaquer à, leur, euh, mm-hmm. euh, à leurs activités régaliennes qui est une activité qui doivent être, ces, ces communes doivent être les porte-parole de cette population. Mais si Aujourd'hui, il y a des petits problèmes que la commune ne peut pas régler à son niveau. Mhm. Donc moi, je me dis que euh, ce n'est plus nécessaire que cette commune eh, existe. Mhm. Donc, il y a également ce que Hussein a dit. Il faut essayer de voir ces communes-là, les petites communes, parce qu'il y a des petites communes et des <laughs> grandes communes. Il y a des petites communes. Il faut essayer de les jumeler avec ces grandes communes-là mhm, mhm, mhm. pour que ces petites communes-là ne puissent pas disparaître aussi. Pour que ces populations qui sont dans ces communes-là où on, les oublie carrément, pour qu'ils ne soient pas, ces populations ne soient pas oubliées. Donc, il faut nécessairement que l'État revienne à cette histoire de euh, décentralisation, mhm. voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour que ces communes-là puissent véritablement tourner. Nous allons donc euh, marquer une pause avant de poursuivre euh, ce débat. Dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi, le 21 septembre de chaque année, est, dédié à la célébration de la paix dans le monde, une journée consacrée au renforcement et à la promotion des idéaux de paix. Cette année, le thème retenu est Mettre fin au racisme, bâtir la paix. Ici au Niger, la haute autorité à la consolidation de la paix, qui autorité qui œuvre d'ailleurs dans la recherche et la consolidation de la paix, a organisé plusieurs activités. Alors vous, Maimouna, que retenir sur le thème de cette année Mettre fin au racisme, bâtir la paix. <laughs> Mais c'est mettre fin au racisme, bâtir la paix. Tant qu'il y aura le racisme, euh, est-ce qu'il y aura la paix C'est ça aussi, il faut se poser la question. Ils ont bien réfléchi sur le thème puisqu'il faut bannir cette situation. Est-ce que même le racisme euh, euh, existe ici au Niger Non, ce n'est pas le racisme qui mm. existe, c'est l'ethnocentrisme, en fait, que les gens font le rapprochement mm. avec le racisme. Mm. C'est ça, en fait. Nous, on ne connaît pas le racisme le racisme s'est laissé pour les autres pays, mais quand même, peut-être chez nous, les gens mûrissent des fois mm. euh, cette histoire d'ethnocentrisme et de régionalisme. Mm. Expliquez-nous. Donc, oui. quand je dis de régionalisme, par exemple, quand je prends, toi tu viens par exemple de, Tilabéry, moi je viens de Diva, mm-hmm. euh, les gens ont tendance à dire que euh, des fois, quand tu te retrouves dans une situation peut-être euh, d'emploi. Euh, quand on regarde, on pense que si c'est des affinités, il faut des affinités. on, met en contribution ces affinités-là pour dire, bon, toi tu viens de ma région, on est de la, euh, même, région, on est de la donc... même région, donc je te <laughs> facilite les choses. Mm-hmm. Mais toi qui viens de l'autre côté, peut-être que tu n'as pas grand chance, grande chance à mm-hmm. adhérer à, à, ça, même si tu as des critères, même si aujourd'hui on pose les critères que tu as des compétences. Mm-hmm. Bon, c'est à peu près cette situation que nous, Peut-être on peut dire que les, euh, au Niger, on essaie de mûrir, mm. mais quand même, il y a, euh, il y a euh, cette, des sensibilisations qui sont en train de faire à ce niveau pour mm. que les Nigériens savent qu'ils sont, en tout cas, les mêmes. Mm. Ils sont les mêmes. Que tu viennes de Diva, que tu viennes de Tilaberi, que tu viennes de Asmaka ou bien que tu viennes de, de, de, de, de, Terra, mm-hmm. vous êtes les mêmes. Mm-hmm. Vous êtes les mêmes Nigériens et vous devrez travailler à l'université sont pour qu'il y ait la paix. Mhm. Donc moi, je pense que vraiment pour le racisme, nous, on n'en est pas à, ce niveau. Alors vous, Seigneur, vous avez un mot sur la thématique retenue cette année, mettre fin au racisme, à bâtir la paix. Ah, ça, c'est un thème qui a été choisi en Occident, n'est-ce pas Oui. Nous, nous sommes en Afrique et nous sommes au Niger spécifiquement. Il y a mm. des ethnies mm. qui vivent sur le même territoire qui s'appellent tous des Nigériens, mm. n'est-ce pas Qui ont tous la nationalité nigérienne. Alors, à partir de ce moment, pourquoi on va parler de racisme Est-ce que ça sévit chez nous C'est un phénomène qui ne sévit pas chez nous. Le racisme, c'est les gens qui quittent, par exemple, quand tu es noir de peau, même quand tu es blanche, quand tu vas, par exemple, dans des, certains pays maghrébins, mhm. tu es victime de racisme parce qu'on voit que tu viens de, la peau. C'est quelque part la peau. Maintenant, tu vas en Occident, c'est encore plus exacerbé. Mhm. Maintenant, dire il faut mettre fin au racisme, moi je dit ils, auront dit recadrer le thème pour, prendre, pour le Niger, parce que c'est le thème générique. On prendre un, thème au plan national, oui. C'est le thème générique au plan mondial. Maintenant, on pouvait trouver un thème pour mais venir prendre, cest à c'est comme si on n'a pas une capacité de réflexion mm. pour dire, mais en quoi nous, ça nous concerne, Journée mondiale de la paix et, racisme. et, racisme. Mm. Mm-hmm. Alors qu'on sait c'est quoi le racisme. On a, l'apartheid est bâti sur le racisme mm-hmm. en Afrique du Sud. Parce que ça a duré une politique qui a duré pratiquement pendant combien de décennies, mm-hmm. n'est-ce pas Alors, j'aurais dit quand même avoir l'intelligence un peu pour dire non D'accord, on a voilà le thème générique, mais dans ce thème générique là, on va trouver quelque chose qui colle à la réalité, réalité du Niger, n'est-ce pas effectivement. On pouvait trouver la paix, c'est pas forcément cette histoire. Nous, on est dans une situation de, conflit mhm. dont on ne sait même pas à quel moment ça va finir avec ce mhm. terrorisme là, mais on va venir nous dire des racismes pour faire des activités. Mhm. Non. Moi, j'ai dit c'est ridicule. Dans la région d'Agadez, ancien foyer de l'insécurité, toutes les dispositions sont prises pour cultiver et pérenniser les valeurs et les idéaux de la paix, a souligné Ahmed Dawagaya un ancien acteur de la société civile, et un ancien acteur de l'insécurité, devenu aujourd'hui artisan de la paix d'Alaïr. Je reste toujours avec vous, Saini. Pensez-vous que véritablement il y a la paix dans cette partie du Niger, cette partie nord du Niger Bon, on ne dira pas qu'il n'y a pas la paix. Et on ne peut pas dire aussi qu'il y a véritablement la paix. C'est pratiquement aujourd'hui toutes les régions du Niger qui sont affectées par l'insécurité, n'est-ce pas Quand vous prenez cette région, il y a toujours le banditisme qui accourt. Bon, on associe ça un peu à des actions de rébellion et, et tout. C'est surtout l'ancien foyer de l'insécurité, comme le, le dit. Oui, l'ancien foyer, mais les gens qui sont désœuvrés. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que cette région a été jusqu'à une période donnée, je crois à partir de 2012 jusqu'à 2000, quand on a interdit les activités de passage des des, des, migrants. Mhm. Les jeunes qui se sont retrouvés comme ça, qui étaient dans l'activité, qui leur permettaient de gagner de l'argent et qui le faisaient à travers des circuits mhm. réguliers, on leur a empêché de faire le travail. Mhm. Mais ça donne quoi Quand vous avez l'habitude en un passage aller-retour, vous vous retrouvez avec 2 millions ou 3 millions. Et que du jour au lendemain, on vous dit que ce n'est plus possible. On vous donne 120 000 pour dire qu'il faut aller faire un projet, monter un projet. Mais ça pose un problème. Les gens, c'est ça qui les pousse le plus souvent à ah. prendre les armes pour aller braquer les, machins, les, orpailleurs mhm. qui vont, qui trouvent de l'or. Parce que j'ai dit quelque part, on voit bien comment le phénomène prend de l'ampleur. Mhm chaque fois, on dit il y a tel quantité d'or qui a été mhm. braqué. Alors, à partir de ce moment, on connaît un peu la source du mal. Mhm, mhm, il suffit simplement de créer les conditions pour que les activités économiques, le tourisme ou du moins les activités migrantes, ont connu, en tout cas, ont fait que beaucoup de jeunes dans la région ils se sont enrichis, n'est-ce pas Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils sont dans la paupérisation totale pour certains. Il y en a qui sont allés chercher l'or ils trouvent, ils viennent, ils investissent pour faire autre chose. Mm. Mais ce n'est pas toujours suffisant. quoi. Mm. Maintenant, pour l'étendre aux autres régions, quand on parle d'insécurité, c'est toutes les autres régions. Niamey même n'est pas épargné. Aujourd'hui, on a des braquages en plein jour. N'est-ce pas On ne parle pas de la région de Tilabéry, on ne parle pas de Dosso. voilà. Dans les quartiers aujourd'hui, mm. en plein jour, on braque les gens, mm-hmm. on, agresse les gens avec des couteaux et tout et tout. Mm-hmm. Alors, on parle de quoi Ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas une affaire, c'est une affaire de, bon, de relâchement. Moi, je pense que c'est ça. Et l'État doit se ressaisir pour mettre fin à ça. Rien que cette semaine, un de nos agents-là a été agressé au niveau du premier échangeur-là. On l'a pratiquement sectionné mhm. la même parce qu'il voulait prendre sa moto. Mhm. Ils lui ont mis, avec la hache, il a tenté d'attraper la hache, ils ont tiré. Mhm. Bon, alors, Voyez-vous mhm. C'est une situation quand même déplorable. Aux alentours de minuit, une, heure du matin, dans une capitale. Mhm. Et les gens ont pu prendre la moto pour s'enfuir. Tout ça là, c'est des choses qui ne sont pas admissibles. Mhm. On a l'impression qu'il n'y a pas de sécurité du tout. Il y a des quartiers que vous ne pouvez plus fréquenter, par exemple, à Niamey, à partir d'une certaine heure. Alors, mais Mouna, vu vraiment la situation d'insécurité qui prévaut dans certaines localités du Niger, comme l'a relevé Ousseini, à quand vraiment le retour de la paix dans ces parties du Niger on le souhaite, euh, on souhaite rapidement le retour de la paix, mais est-ce que le retour de la paix euh, dans ces régions, dans ces régions qui sont en proie à l'insécurité, peut venir mhm. rapidement sans qu'il y ait euh, une politique euh, peut-être euh, hein, de s'asseoir et de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Mhm. Comme il a dit, aujourd'hui, ce sont pratiquement les jeunes qui sont enrobés dans cette situation d'insécurité. Mhm. nous, savons, nous savons cette situation. Mhm. Et nous savons que cette situation allait venir de toutes les mille manières. Parce que quand vous avez un pays qui a une jeunesse aujourd'hui et que cette jeunesse est laissée désœuvrer à elle-même, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne peut pas les pousser mm. aujourd'hui à aller mm. vers l'insécurité mm. C'est parce que tout simplement, si aujourd'hui nous, faisons face à ces insécurités, à l'insécurité résiduelle, c'est parce que tout simplement ces, jeunes-là n'ont pas de, ne, savent pas où aller, que faire avec autant de diplômes et ceux qui n'ont pas les diplômes aussi sont dans cette danse-là. Donc aujourd'hui, tu vois un jeune avec qui moi j'ai fréquenté, par exemple, de l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Mm. Aujourd'hui, tu le vois à l'aise, il est devenu quelqu'un, mais tu cherches pas à savoir comment est-ce qu'il a fait pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que tu te demandes, mais je l'ai vu avant-hier, il n'avait rien aujourd'hui, voilà ce qu'il a. Mm. Mais ça pousse également à ce jeune homme-là de cette interroger sur sa vie. Mais mm-hmm. qu'est-ce que moi je suis en train de faire mm-hmm. Donc il me faut trouver également le, euh, le, mécanisme d'avoir cette richesse que j'ai vue de l'autre côté. Mm-hmm. Donc c'est ça, ils se mettent à faire le banditisme. Ils se mettent à arracher les sacs des femmes, des dames et autres. Aujourd'hui, juste euh, devant même ta propre porte, tu n'es pas en sécurité. Des grands défis donc euh, se, posent, ici pour vraiment pour le maintien de la paix ici au Niger. Il faut renforcer, il faut renforcer la sécurité. rapidement cette insécurité, la consommation euh, de drogue. Des Aujourd'hui, c'est répandu. Mhm. Tous les deux. Mhm, mhm. Voilà. Alors, à partir du moment où ils ont accès à ça, quand la personne prend ses. Chaque jour, c'est des, des, des saisies. Mais <laughs> Aujourd'hui, c'est véritablement, on n'arrive pas à contrôler le Niger. Hmm. Avec euh, tout ce qui rentre de vers Gaïa, tout ce qui rentre de vers Dosso, tout ce qui rentre aujourd'hui de Maradi, de Vermaradi. Maradi. Donc, c'est un problème vraiment et c'est les jeunes. Alors, Ousseini, pour terminer, que faire vraiment, pour le maintien de la paix rapidement en une Pour le maintien de la paix, la paix n'est pas là. <laughs> pour le, pour le retour de la paix plutôt. et là, c'est aux autorités de réfléchir à ces questions-là. Mhm, mhm, mhm. C'est-à-dire des patrouilles permanentes et mobiles pour pouvoir, dans les grands centres urbains, pour pouvoir interpeller. Et souvent, il y a des opérations qui sont faites dans ce sens. Mais malheureusement, on amène la personne, au bout de 48 heures, la personne ressort. D'accord. Le même malfaiteur là. Mais on te demande si tu vas prendre cette personne-là en charge alors, il est retenu au niveau alors, beaucoup, reste à faire, beaucoup reste à faire pour le retour et le maintien même de la paix, comme le disent nos invités ici euh, présents dans ce studio. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 23 septembre 2022. Nous étions en compagnie de Memoune Diado, journaliste indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le programme Jeune, c'est samedi et dimanche dès 17h avec euh, l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, les forums de Studio Kalongo. fils Adam Sirfo à la présentation, Amin Hassan à la technique et Mustapha Ayouba à la régie vidéo. Au revoir et très bon week-end à tous.